Bonjour chers téléspectateurs et internautes de Chess Info et Chess TV. Nous sommes dans notre émission Chess Boost qui reçoit comme un invité de marque un écrivain Karunga Kamara, qui est un écrivain sénégalais qui a quand même osé écrire dans l'immigration une question qui est sensible, qui est toujours d'actualité avec les multiples réseaux et les questions avec l'Union européenne, les États-Unis, le Sénégal, l'Afrique en quelque sorte. Aujourd'hui, nous avons comme invité Karunga Kamara, qu'on va donner le soin de se présenter à nos serres téléspectateurs sur Chess Info et Chess TV. Karunga, bonjour. Bonjour mon cher Omar. Euh, donc je m'appelle euh, Karunga Kamara, je suis un, Sénégalais, ce qu'on appelle un migrant de retour parce que j'ai vécu quelques années en, Italie avant de, retourner au Sénégal il y a bientôt trois ans. Euh, pour devenir chef d'entreprise, je suis en même temps un coach formateur, donc je fais ce qu'on appelle du mental coaching je suis en même temps président fondateur du réseau qu'on appelle le réseau Ndari, qui est un réseau d'expatriés, donc les expatriés de retour, euh, ou bien ceux qui, ont, qui sont sur le point de rentrer au Sénégal. Également le retour, un point très sensible pour les immigrants qui sont à l'étranger. Le retour, un point très difficile même à aborder, un sujet tabou. Il y a des problèmes. Vous connaissez quand même le problème des migrants. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce problème du retour, parce qu'aujourd'hui, nous avons devant euh, les téléspectateurs un ouvrage qui est Oser le retour, que vous avez écrit, dont l'apparition était le mois de mai en Italie, ce qui vous a même permis de participer euh, au Salon international du livre à Turin. Est-ce que vous pouvez revenir un peu pourquoi vous avez choisi même Oser le retour alors, j'ai choisi d'écrire Oser le retour pour déjà euh, partager une expérience parce que comme vous le savez, euh, euh, comme disait le célèbre chanteur euh, John donc j'ai un peu, j'ai choisi de rentrer au Sénégal après, n'est-ce pas, un séjour en Europe, alors que toutes les conditions étaient réunies pour que je reste, parce que j'avais un travail. Euh, j'avais un contrat en CDI même à l'Université catholique de Milan, mais j'ai choisi un jour de démissionner pour rentrer au Sénégal parce qu'en réalité, je suis convaincu que le futur appartient à l'Afrique. Maintenant, pourquoi oser le retour Parce que je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui aimeraient faire la même chose. Aujourd'hui, il m'arrive quand même de voyager, de repartir un peu euh, en Europe ou un peu partout. Et je rencontre des, Sénégalais qui me disent, mais j'aimerais bien faire la même chose. Comment est-ce que tu as fait Et moi, je réponds tout simplement, j'ai osé. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de personnes qui rentrent, mais il y en a d'autres qui ont envie de rentrer. Mais le seul problème, c'est qu'ils ont peur de rentrer. Donc, d'où le, titre de, de, de, ce, de manuel, mm-hmm. un guide pratique. Ce n'est ni un roman, ni une biographie, mais c'est un, guide pratique. Mm-hmm. C'est-à-dire, je montre un peu comment ceux qui ont envie de, de rentrer, comment est-ce qu'ils peuvent faire faire euh, pour, rentrer. Voilà. Alors, euh, on va parler un peu, c'est-à-dire la peur, la peur qui anime ces migrants qui sont à l'étranger, qui ne veulent pas revenir au pays. Mhm. Pourquoi ils ne veulent pas revenir Qu'est-ce qu'ils attendent Qu'est-ce qu'ils ont peur Y a-t-il des difficultés Y a-t-il un échec Y a-t-il euh, un avenir qui est un peu sombre oui, là, vous venez de poser une question très importante, une question qui mérite quand même un débat de long, parce que, euh, effectivement, c'est une question d'actualité, euh, de forme et de fond même. Hein. Vous savez pourquoi les gens ont peur de rentrer C'est même, voire même une phobie, hein, parfois. Parce qu'en fait, partir est plus facile que rentrer quand nous partons d'Afrique, nous partons euh, avec, de l'espoir, avec de l'espérance, avec ce, que j'appelle moi euh, le courage de l'ignorance. Parce que nous pensons tous que l'Europe, c'est l'Eldorado. On va là-bas, on va gagner de l'Afrique. Et quand on arrive là-bas, on se rend compte qu'il y a énormément de difficultés. Maintenant, rentrer est plus difficile parce qu'il y a énormément d'attentes. Vous savez, ici, euh, les, les, les, les, personnes, quand elles partent, elles partent d'une façon assez, euh, assez, assez différente. Parfois, c'est la famille qui envoie quelqu'un, parfois, c'est quelqu'un qui a, mhm. qui a décidé. Voilà, exactement. et il y a euh, des, voilà, il y a énormément d'aspirations et d'attentes, et les gens ont peur de revenir les mains vides. Mhm. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a une forte pression qui pousse, une forte pression sociale qui pousse les gens à toujours, disons, qui veulent rentrer, mais qui, remettent ça toujours à demain parce qu'en réalité, ils se disent qu'est-ce que vont dire les gens Comment est-ce que je vais expliquer mon retour Parce que les attentes sont très fortes. Et donc, effectivement, c'est pour cela, quand même, j'essaie de donner dans le livre quelques indications pour montrer comment surmonter un peu cette peur, voire même cette phobie, parce que la peur, ce n'est pas une fatalité. Alors, euh, euh comment vous appréciez quand même l'État qui, quand même, à travers beaucoup de projets, euh, essaye pour le retour des immigrés, essaye de mettre en place, il y a un ministère qui, quand même, qui sort de cette question, ou bien une direction. Du temps de droit, il y avait un ministère, on avait même parlé d'un projet de retour vers l'agriculture. Mm. Bon, toujours, tous ces problèmes, tous ces projets, est-ce qu'ils n'ont pas pu aboutir à une solution finale alors, il faut dire en fait que je pense fondamentalement qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette question. Euh, même si je pense, je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits par l'État. Euh, mais je vous donne tout simplement un exemple. Je pense que cette question du retour des immigrés doit être traitée à bras le corps. Un exemple concret. Le livre est sorti en Italie il y a, il y a à peu près deux mois où j'ai même participé au Salon international du livre de Turin. Euh, parce qu'en fait, la question intéresse beaucoup les Occidentaux. La mhm. question de l'immigration intéresse beaucoup les Africains, les, disons les Occidentaux. Mais on a comme l'impression que ça intéresse moins les Africains. Et pourtant, ce sont nos enfants qui meurent dans la mer. Ce sont nos enfants qui sont capturés comme esclaves sur le désert de la Libye. D'accord Donc, effectivement, il faudrait que cette question soit prise à bras le corps et qu'on en parle beaucoup plus sérieusement entre nous. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'essaie de donner par exemple au, niveau où vous savez que les gens, quand ils rentrent, ils sont complètement isolés, mhm. dépaysés. Mhm. Parce que il y a, le premier problème, c'est l'accès au crédit c'est quasiment impossible pratiquement d'accès au crédit dans ce pays, même s'il y a énormément de fonds qui ont été mis en place. Je pense au FES, je pense au fonds, j'ai tout ça. Mais force est de reconnaître que ça ne fonctionne pas. Mhm. Pourquoi ça ne fonctionne pas Cela demande quand même un débat de fond encore. Il faudrait qu'on essaie de voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi Effectivement, ça aussi, c'est un des, euh, une des, euh, des, conséquences quand même de cette peur dont je, dont je parlais tantôt. Mhm. Donc, je pense que de ce point de vue, par rapport même, euh, à la question du retour des immigrés, l'État doit quand même trouver même les moyens de favoriser beaucoup plus le retour des immigrés, parce que je considère que les expatriés sénégalais, africains en particulier, sont un patrimoine quand même euh, incommensurable, dont la valeur n'est pas quand même toujours reçue par nos peuples. Alors, euh, Camara, comment vous expliquez aussi aujourd'hui, vous avez des députés, les députés de la diaspora, est-ce qu'ils jouent le rôle que vous attendiez Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des répondants dans l'hémicycle Parce que vous les avez, vous les avez élus. Mm-hmm. Euh, donc, est-ce que ces députés, est-ce qu'ils jouent le rôle, est-ce qu'ils connaissent le problème de l'immigration, surtout la question du retour Bon, il faut, il faut que je vous avoue que je ne suis pas très en, au diapason de, du travail des députés de la diaspora. Donc, euh, <laughs> parce que je pense que le rôle est beaucoup plus pour ceux qui font les immigrés qui sont, euh, qui sont encore euh, à, l'extérieur. Moi, je m'intéresse beaucoup plus aux migrants de retour. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis au point un réseau qui s'appelle le réseau Ndari. Mm-hmm. Le réseau Ndari qui vient du, du, du proverbe et qui regroupe mm-hmm. les expatriés qui sont rentrés au Sénégal et ceux qui sont encore à l'extérieur mais qui qui ont envie ou bien qui ont l'intention de revenir au Sénégal. Là, nous avons créé, créé ce cadre de partage et d'échange. Nous faisons des projets ensemble, des formations ensemble, du réseautage. Nous essayons d'avoir une, une, interaction entre les membres et nous essayons de travailler en nous, même de, de, de, chercher à avoir des financements dans, dans, les institutions, les ONG, etc., etc. Donc, je m'intéresse beaucoup plus à ces questions. Et je pense que la question euh, de... Peut-être qu'il faut poser la question aux, députés de la, diaspora, voilà, pour voir quel travail est-ce qu'ils font. Mais personne personnellement, je m'intéresse beaucoup plus aux migrants de retour, c'est-à-dire les personnes qui sont de retour au Sénégal. Très bien. Alors, euh, toujours euh, dans cette question, le retour euh, des migrants. Donc, aujourd'hui, vous avez mis en place un guide qui est quand même pratique, qui peut quand même permettre à la personne qui est quand même à l'étranger de voir cet ouvrage pour quand même avoir le courage de rentrer au Bercail. Mais également, est-ce que vous avez pensé à avoir quand même, vous avez le réseau d'abord, le réseau Nari, mhm. mais est-ce que aujourd'hui, vous avez pensé à un projet pour essayer quand même de canaliser ces migrants de retour, mhm. pour les conseiller psychologiquement, moralement, pour les, quand même, pour les permettre de s'insérer dans la société. Bien sûr. En fait, déjà, le Ndari a déjà commencé tout ce, tout ce de, donc, vous venez de dire. Hein. Nous avons mis en place un bureau d'accueil, mhm. c'est-à-dire un bureau qui va carrément accueillir. Déjà, le travail commence en amont. Mhm. Déjà, les personnes qui sont à l'extérieur déjà et qui ont envie de rentrer peuvent déjà adhérer au Ndari. Et déjà, nous avons créé ce cadre d'échange entre les migrants qui sont à l'Europe qui ont envie de rentrer et les migrants qui sont là. Déjà, nous échangeons sur les projets, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, etc. Et ceux qui arrivent aussi, nous créons quand même les cartes déjà pour les accueillir et les orienter. Mais il y a aussi qu'on organise beaucoup de formations de renforcement de capacité. Et nous insistons beaucoup sur la formation mentale, parce que selon moi, c'est le point fondamental, que non seulement des Africains, des migrants de retour, mais de toute l'Afrique. Hein. Mhm. Selon moi, mon cher Omar, je pense que nous souffrons de ce qu'on appelle une impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est tout simplement une application qui est dans notre tête et qui nous dit ne faites pas ça, ce n'est pas possible, n'essayez même pas. L'Africain a, a, a perdu ce qu'on avait euh, quelque chose qu'on avait depuis des années avec nos ancêtres. C'est-à-dire qu'on avait cette solidarité dans le travail, on avait ce mental de gagner, mais on a tout perdu. Aujourd'hui, nous pensons que sans l'Occident, on n'est rien. Nous pensons que sans les autres, on ne peut rien faire. Et ceci n'est pas vrai. Il faudrait que les Africains se remettent en cause et prennent à bras le pour tous les problèmes. Pour, pour moi, l'avenir appartient à l'Afrique. Aujourd'hui, je dis que les défis de ce siècle se jouent en Afrique. Et il faut que les Africains le comprennent. Regardez bien, depuis presque 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous voyez tous les grands présidents de ce monde venir au Sénégal. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'avenir est encore ici. Il faudrait que nous aussi, que nous le sachions et que nous nous, nous, y, euh, euh nous, y engageons beaucoup plus pleinement. Alors, euh, très bien, ce livre a été préfacé par euh, Elaz Sondi qui était connu, un professeur émérite, euh, qui a quand même eu à partager beaucoup de son savoir, de sa connaissance. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, il y a des migrants qui ont un problème financier pour revenir. Mm-hmm. Ils nécessitent des billets d'avion, mm-hmm. ils nécessitent quand même une somme pour les accueillir dans leur famille. Est-ce que le réseau a pensé à ça Est-ce que vous abordez ce sujet dans ce guide, comme vous dites Bon, en fait, effectivement, euh, vous savez, je, je, au passage, je remercie le professeur Sanguediouf euh, qui m'a fait l'honneur de, de, faire la, la, préface de ce livre. Et euh, aussi, euh, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, euh, le retour n'est pas quelque chose qui se, qui se fait, c'est ce que j'explique dans ce livre. Hein. Euh, c'est pas c'est pas une question de se réveiller un jour et de dire écoute demain je rentre et je prends mm-hmm. euh, ma valise et demain je suis à Dakar ou bien à Bamako ou bien à Abidjan. Non, ça ne fonctionne pas. Le retour doit se préparer, mm-hmm. doit se planifier. En fait, vous parlez de billets d'avion. Pour moi, c'est l'aspect le plus n'est-ce pas, minimum de, du retour. Parce que ce n'est pas le plus compliqué, trouver un billet d'avion n'est pas, pas compliqué. En fait, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'avoir une idée de projet. C'est d'avoir un financement et de pouvoir gérer son activité quand vous, quand vous serez au retour. Donc, ce qui est fondamental aujourd'hui, nous, au niveau du réseau Paris, on a créé ce qu'on appelle une banque à projet. Une banque à projet, ça veut dire essayer d'orienter un peu, parce qu'il y a des des expatriés qui veulent rentrer mais qui ne savent pas quoi faire. Donc déjà, on a créé des banques à projets orientées qu'on peut faire tel ou tel ou tel projet ici. Et maintenant, après, on essaie quand même de d'inculquer quelque chose qui est fondamental et qui manque un peu à l'Africain, c'est la création de richesses en groupe, en communauté. C'est ce qui nous manque fondamentalement. Et là, au niveau des régions nous avons en, ligne de mire des projets, euh, des grands projets qu'on doit faire. Et c'est des projets qui vont regrouper 100, 200 personnes. Des projets quand même à grande envergure que nous voulons mettre en place. Et nous espérons aujourd'hui avoir la possibilité de le faire grâce, bien sûr, aux autorités, mais aussi aux ONG, mais surtout, surtout de tous les membres du réseau. Alors très bien, un projet aussi euh, pertinent, quand même, euh, oser le retour et tout, c'est un projet très pertinent. Mais est-ce que vous avez discuté avec euh, les ambassades, les consuls qui mhm. sont d'ici et d'ailleurs Bien sûr, surtout ce qu'on appelle l'ambassade d'Italie, que je remercie au passage parce que nous avons déjà fait la présentation du livre, disons, à l'Armaton Sénégal à Dakar et monsieur l'ambassadeur d'Italie, euh, monsieur Francesco Paolo Vigni, nous a fait l'honneur de venir présider lui-même euh, cette cérémonie. Hein. Donc euh, nous voulions lui remercier. Aujourd'hui, il est vrai que les raisons d'aller travaillent en étroite collaboration déjà avec l'ONG LVIA, mais aussi avec la coopération italienne qui nous a même fait l'honneur de venir nous voir ici à Thiès et aussi avec l'ambassade d'Italie. Aujourd'hui, nous avons quand même l'intention d'aller voir les autres, disons, ambassades de ce pays pour essayer quand même de leur, euh, de, de, de, leur faire part un peu de nos, de nos projets et de ce, ce que nous voulons faire. Mais j'insiste sur un fait, ça commence déjà par nous. Nous devons déjà commencer à faire quelque chose avant d'avoir de l'aide d'extérieur. très bien dañuy ñëw rek euh, tey ci Thiès euh, Buzz muy émission bu am solo bi nga xam ne dañ ci euh, dalal nga kamara nekk kenn rek ci nga xamante ne ay expatrié lañ nekkoon ca Europe ñibbisi waaye it am rek projet yu am solo ngir mën a fexe ba mbooleem ñi nga xam ne rek ay. Euh, moodu moodu lañ fa ñu mënta nekk rek ci biir àdduna bi ñu xalaat dellu si ñëw ci biir euh, seen réew fii di Sénégal wala boog dellu seen i pays africain pour rek mën a intégrer société bi mën a démarrer waat euh, seen liggéey tey nag ki nga xam ne mooy Karounga kamara tey dañ koy jàppee ne sax bindkat ndaxte ab livre la bind bi nga xamante ne rek def ci wax maanaam oser le retour mu nekk li nga xamante ne bëri na sax ñi nga xam dañ koy wax ba ci seen woykat yi jom mooy tukki waaye fulla mooy ñibbisi li ni mel nekk jafe-jafe ndaxte bu xoolee bitim réew bëri na ko ñi nga xam ne dañ fa toog ñoo xam ne mënuñoo ñibbisi ñu bëri ndax dafa am loo xam dañ ko ragal ci suñu aada ak suñu cosaan dañuy wax euh, professeur lan moo waral te euh, waaw professeur parce que li nga def vraiment professeur dañ koy def am njàngale la lan moo waral nga bind livre bi ni mel ak nga xalaat tamit euh, ci wàllu li nga xam ne rek mooy xalaat ñibbisi maanaam am fitum ñibbisi waaw jërëjëf Oumar je pense que en fait bind téere bi dama ko def seulement pour partager dengan expérience bi ma am ci mbiru euh, parce que yàlla def na tukki woon naa am lu ma fa jàng am lu ma fa jëlee mais à un moment donné ma xalaat ne man dama war a dellu si sama réew bon c'est vrai que bare na ay éléments yu nekk si biir yu waral ñibbi si boobu peut-être amuñu jot un jour danañ mën ko toj ko mais lu gën a wóor mooy que li ëpp importance mooy que à un moment donné j'avais compris mu wóor ma ni kan suma avenir man utilité bi ma am Sénégal moo ëpp foofu utilité war mu mën a am fële euh, ci ci bitim réew ndax bitim amoon naa fa liggéey et chaque année daan naa ñëw vacances mais à un moment donné dama préféré démissionner ñibbi si Sénégal pour créer suma activité bopp donc ma bind livre bi nag parce que ma se rendre compte que bari na ay euh, Sénégalais yu nekk bitim réew yu bëgg def loolu te dama ci rencontré ñu bare bare ñu ne man sama waaye suma rêve bu ma gën a am mooy ñibbi si Sénégal am na déjà ñu bare ñu koy def et que effectivement ma ni mais partager expérience bu ma am dana peut-être permettre ñoom ñu xam ban yoon ak yoon yoon yi nag bare nañu mais mën naa wone benn yoon ba nga xam ne man man si laa jaar pour def ko donc peut-être ñeneen ñi man bu ma ko defee ça veut dire que tout le monde peut le faire et que à un moment donné bu fekkee tamit yoon boobu mën nga si jaar man won naa leen ne léeg-léeg laa def def naa erreur yi sax te erreur yooyu bu doon sama soog yéen du ngeen ko def effectivement j'ai dit ça dans le livre et que livre bi guide la manuel donc du roman du du biographie donc dama ci expliquer tout simplement nan ak nan nga meuna def bu fekke yow am nga yéene dellu alors euh, très bien nekk lu am solo mais tey bu ñuy wax euh, tey jafe-jafe yi bëri na ci bitim réew rek ak tamit euh, pour ñibbisi bi ñu bëri di ragal ñibbisi ndax tey ñëpp xam nañu koy tukki dañ lay yàpp wala sax nga ñu dajale ay tour ay tontine dajale jël këyitu kër gi garanti ko lépp dajale ko mu nekk loo xam ne ba léegi donte du kokkoon sax moo leen fa waaye am na yenn yoo xamante ne ñoom ragal nañ bi ñibbisee loolu lañ fiy fekk li ni mel xalaat nga ci bind ci ñu nga àddu ci voilà exactement ni ñu en fait pression bi nekk ci tukki moom moo ci africain parce qu'en fait fii euh, dem bi moo gën a yomb ñu parce que dem déjà da ngay demee de parce que euh, am na tuddee le de l'Occident da la da et puis Sénégal yëpp africain yëpp bëri loolu yaakaar léegi nag bu ñu se compte que ne en fait li xew ma te dëgg ci africain yi tukki te li ma lay wax la ñu bare xam nañ ko ñu fii tukki dem nañ man récemment dem naa j'ai vu ci biir mi naa ay sénégalais ak ay africain yuy fanaan ci gaal bi donc ay affaire boobu metti ma lool parce que ñooñu di fanaan gaal wóor na ne am nañ fi ñu fanaan fii ci Sénégal ñàkkuñu ko te pourtant ñu ngi préféré fanaan ci foofu ci mbedd mi plutôt que ñibbi si fii donc loolu lan moo ko waral en fait mooy ragal bi ñuy wax parce que pression sociale bi metti na et que nit ñi yaakaar nañu ñibbisi bi te indiwoo dara échec la en fait loolu tam moo tax nag ñu ngi tudd osé parce que osé foo ko dëgg rek xamal ne ragal am na derrière na ragal boobu nag moom laa bëgg a xam ne en fait du fatalité fatalité moo nekk ni kenn mun ci dara mun ci dara donc il faut ñu wan nit ñi nan la ñuy def ba daal di surmonter ragal boobu pour mën a nag jël parce que nag am na éléments yi nga xam ne foog nga prendre ko encore éléments yi mooy dafa foog nga am la bonne information la bonne information mooy opportunité yi ñu ngi fii ci Afrique. te Afrique moo ëpp léegi opportunité foofu Europe. bu fekkee da nga bëgg a defar sa avenir af opportunité yi nekk Afrique ñëw ci benn continent beneen bi mooy éléments yi nekk ñoom fii vraiment ay ay ay comment dirais-je ay euh, organisme yu fi créé comme réseau ndaar yi. réseau ndaar yi ñëw di accompagner nit ñi pour xam pour mu bëggee ñëw si lan la ñuy def ak cetera

بنجيب ورقة من نحن من اللي بتنرو تأمين الناس أوجد أمين مامبر فرنسا أمين مامبر إيطاليا أمين مامبر إسبانيا البرازيل أمين إيطاليا كابفيرد مروة أفريقيا في باري أكتي موند اللي أمين في أي مامبر نو أنت بدأ يجوا كمون ديجا دي وقت أنا مني نحن أمين الناس ديجا ñu ngi am une idée déjà de projet beneen bi mooy ñun am nañ fu mu tuddee fii sax ay banque à projet déjà dañuy proposer sax ay projet di essayer projet yooyu di ko proposer parce que am na ñoo xam ne bëgg nañ mais les gens sax xamuñ sax bu ñu gisee donc mën nañ leen orienté na ah mën nañ def léegi mën nga bokk ak yow créer interaction boobu bu wane ni bu ñu ñëwee déjà du ñu dépayser wu dinañ romb maanaam dagg lu ñuy tuddee seen isolement parce que dafa am isolement bu mag ah boo xam ne gars yi dañuy am bu ñu ñibbisee dañuy mel ñu réer parce que évidemment boo dundee ay at yu yàgg bitim réew nga ak nit nga xam ne dund nañu la même chose que toi dina gën a jàpp yomb si yow évidemment ça ne veut pas dire que lu yomb lay nekk da ngay xëy si rek nag dañ lu yomb amul ci ça va de soi. Donc moi, personnellement, je le dis dans le livre, parce que j'ai vécu des, des, difficultés. Et malgré continuer, continuer de vivre. Mm. Mais là aussi, à nous, d'abord, il faut que nous donnions en charge aussi. Et que, en fait, pour fatalité, une difficulté, une échec, une fatalité, en fait, pour moi, l'avenir appartient à l'Afrique. Il faut que l'Afrique ait alors bu ñuy xool ci wàllu euh, maanaam tukki euh, droit universel Nous ñu gis ni nous euh, nekk rek bu la neexee mun nga jógee mm. dëkk bu la neex dem ci beneen nous avons ab droit la boo xam ne ko ratifié réewu mais tey bu ñuy wax ci walu tukki walu immigration dafa bëri jafe-jafe ñu gis ni Europe Amérique euh, Afrique ñëpp jël nañ question bi euh, à bras le corps maanaam téye nañ ko di ci xalaat pour càmbar ko mais tey euh, guide bi ni mel ak li nga xamante ne tey mooy seen yëngu est-ce que ñi nga xam ne ñoo fi toogal li nga xam ne rek mooy ambassadeur yi wala consul yi est-ce que yéen jàkkaarloo ak ñi ak ñoom rek pour exposer leen li nga xamante ne moom mooy seen i projet yi ngeen tënk ci jiitu alors déjà les bon bu ñu ko bindee c'est vraiment un petit ci soutien ñu euh, de la coopération italienne pour baax ONG Impida italien ak ambassadeur italien, ça, euh, on a ne keroog dañuy def présentation livre bi ci Lamatan Dakar moom moom mu en personne ça veut dire que question bi ça intéresse bien beaucoup euh, occidentaux yi livre l'Italie génn Italie et tali man am naa honneur participer salon international bi nii cere yàlla def na sax ba ma demee salon moom damaa xawoon waaw parce que dama yaakaaroon salon bu ndaw la rek mais ba mu fa duggee j'ai vu que ne moo ëpp foofu foire de Dakar et que l'ensemble des éditeurs et des écrivains du monde ñoo fa dajee woon donc mu nekkoon honneur bu mag ci man mais ma ne waa région Piemonte ñoo ma invité woon foofu ma ne waa mais ñii pourquoi j'ai compris que question immigration question bu leen intéressé et j'aimerais maintenant que même si nous autorisons immigrés mais j'aimerais que la question de c'est-à-dire la question des immigrés, mais surtout la question des immigrés de retour, parce que effectivement pour moi, immigrés, n'est pas parce que boo fa tukkee di expérience kat bu ba nga xam ne yaakaar naa ne bu ñu ko dajalee fi nii dina jëriñ lu bare bare bare ci donc effectivement dajale leen ba ñu mën a ñëw non seulement dina permettre ñu lutter contre lu ñuy tuddee l'immigration clandestine parce que booy jël gaal gi yëpp di dem seen yoon effectivement bu fekkee gis na ñeneen ñu ñëw man bu ma ñibbisee ci réew mi liggéey fii daal di fii tedd

waaw bon xam nañ ci lu bari de parce que évidemment état moom mooy léger du nekk mais vous savez man sama profonde conviction mooy lépp day commencer si ñun déjà il est évident que l'État de a aussi donne les problèmes à le faut anticiper. Comme ça, ça fait parce que les gens s'anticipent Parce que gouvernement Voilà, gouvernement prévenu. Aujourd'hui, nous me je sais que question du retour des migrants, des Africains, question fondamentale que l'État de pour pas à bas le question avec créer une direction des Sénégal de l'extérieur, créer un ministère des Affaires étrangères, Mais la question de la question de la de la Afrique, parce que les défis de ce siècle que nous pouvons vivre avec Chine. Et que Fulton et Gisnayon, vous comment pays you gars yi président chinois président temps de président le chancelier donc Macron mhm. fait fait le futur est ici affaire bi fii la mais affaire bi du fii du affaire u kii rek mais affaire yi ñun tamit si lañ bokk c'est-à-dire que immigré yi nekk fee ñoom dañu war a ñibbi si lañ fa jàngi lañ fa amoon ci xam-xam war a ko indi exploiter war a organiser nag ñu war a def loolu parce que pour man problème boobu foofu lay xaar état bi et ci biir fii sax am na benn chapitre ba nga xam ne dama ko consacré essentiellement ñu tudd l' intervention de l' état où j' essaye d' expliquer maa ngi expliquer bu ñu bëggee financement yi réussir man ñu def parce que financement yi doxul noonu financement yi ñu joxee Sénégal ça fonctionne pas

ni sénégalais nga est-ce que tey mën nga ñu expliquer xam nga non mais man yow da ngay sànni xel quoi xam nga en fait. ci say xam nga man maa la waroon poser question yow sa tur bi fan la jógee xam nga lu tax. Mhm. parce que yow tu as un nom importé. <laughs> muy Omar bi ah Omar c' est un nom nom nom arabe la. Mhm. man c' est un nom africain kat. ci primat africain Karunga c' est un nom soninké. Mhm. donc waa Saraxule. sama maam ñu koy wax Karunga Camara moo sant dëkk bu ñuy wax Golmi. c' est dans le département de Bakel donc ay Saraxule la waaw. donc Karunga un nom de roi. normalement heure bi sax buur laa waroon nekk. effectivement mu nekk l' intégration. qui est quand même vivant ici euh, dans le Sénégal. Alors, euh, Karunga, le mot de la fin. D'ailleurs, vous avez rendu hommage à votre chère maman, comme nous tous, comme euh, les acteurs de ce monde. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, il y a une c'est la crème qui, quand même, mm-hmm. après, on peut obtenir beaucoup de choses par rapport à une bonne mère. Aujourd'hui, à chaque instant de la vie de l'être humain, il pense et quand il est dans les difficultés, il ne pense qu'à maman. Et vous avez rendu ici hommage à maman. Oui, tout à fait. Je pense que mën naa wax sax que ni moo sabab li yëpp li yëpp day ak parce que ça me mi bisi mu ngi mu ngi maa ngi ko jël jour bu sama yaay génnee àddina ndax sama yaay bu muy génne àddina mu ma fekk ma nekk heure boobu ci guddi googu laa toog

ليف بدا في قران فقهي تم قال هذا ليش مي ركور بس ما قران فقهي مبيح عمر كم بيتي مي ركور ديما قال هذا ليش مي ركور فك بو بوي قال هذا لما تجي برزنتاشن ليف ايطالي بما فنك يجي برزنت ليف ايطالي مو ما يوتر تنتبه عبارة دي مو فك مو فك فك بيا سوسا ما قال هذا دوك une grande romance du justement en dessous. Moi, je remercie au passage aussi Guarizo Ngari, parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, man une dite ci si réseau mais vraiment bu ay gars yu jàmbaare. vraiment donc ma parce que lim tuut ma mais de ci cité rek Mariama Badji nga xam ne bokk na si suñu femme yi nga vraiment elle fait beaucoup de choses pour euh, pour waa ñu ne ñu très bien donc mais c'est est extraordinaire ce qui est en train de se passer je pense qu'il y' a une révolution silencieuse qui est en train de se passer dans ce dans ce pays là. Mm-hmm. Il faut que les gens le sachent. Accompagné d'une alternance générationnelle. Tout à hein. fait. C'est euh, les institutions à mhm. il y a les moyens de 25, 26 ans. C'est important. Mais... Et quand même, ça peut porter beaucoup de choses. Hein. Mais ça si portera beaucoup de choses. Comme je suis un afro-optimiste et je le confirme, je assumer man pour man tamit ñun ñoo aye ñun aye nañ ba faré bokk ah, donc aye waaw fii fii ñun ñoo ayé dèjà nag comme aye nañ nag bu ba ñu njëkk nag gars yi aye ba pare ñëw dif ñu suuf suñu ay nag daal bëgg ko exploiter suñu place nag waaw loolu la ñu ko nangu ah, mais aujourd'hui ce qui est important mooy que encore une fois défi monde bi fii la en Afrique il faut que africain yi comprendre ko d'abord jël seen problème à bas la ko jéem a changer mentalité mentalité de vaincu boobu ñu am ne lépp et que c'est possible de le faire mais ensemble lañ koy faire Voilà, très bien. Merci beaucoup les chers, téléspectateurs de Thiès Info et Thiès TV. Notre invité spécial qui est écrivain Karunga Kamara, qui est quand même le président du réseau euh, Nari, qui euh, quand même œuvre dans le retour des migrants qui sont quand même à l'étranger. Donc on va vous donner très prochainement un euh, rendez-vous pour un nouveau numéro Merci. Merci